lu ma lekk te du ma naan lu ma sonn sonn lu ma lootu lootu man kott kott képp du ma ñaar waxal ma yaay na ma sànni ñaar man dolli ñaar rek ma guddi fa ku juudu gis dëgg du dund fenn bëgg yàlla ba yeneen ci amul fenn li ma nar a teg tax yóbbu taal maa ngi indi ñu nekk duñu mën a fa taalibe bambala ak saa wër si Abdou Karim Cheikh Fall man di dëgg day yërëg ko man wala man di dëgg day bëri ji dugg jeel seen bénéfice génn te yàq te man lii nekk tuuleew ne dama dox dama génn kasaw rek jaay fa ku ma dégg dégg nag ma xoof fa la ma ministre yëpp ak maire yi fi nekk yëpp maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. et tey le pourquoi jël kàddu bii nii am solo ci man parce que ñun ndaw ñi lañuy ñuy waxal ñun jeunesse bi la ñuy waxal. et tey maison de la jeunesse bii nii nekk tey diggante Guédiawaye ak Pikine ñun ñoo ko moom ñun ndaw ñi. ci loolu dama naan ku defal ndaw ñi tey ku defal jeunesse bi tey. dama jàpp ni Ngaaka Blindé nga defal parce que ñii ñëpp dañuy gis seen bopp ci man léegi li nga xamante ni moo ci des mooy lii nga xam ne jeunesse bee ko moom da ko jeunesse bi téye ak seen fukki loxo ak juróom en tout cas madame la ministre man Ngaaka Blindé au nom de toute la jeunesse sénégalaise pour ne pas dire de la kontaan naa ci initiative bi ndax ñu nga ko defal merci salaamaaleykum wa rahmatullah jaajëf chers élèves étudiants du département de Pékin, distingués invités, mesdames, messieurs. C'est avec un sentiment de fierté et de gratitude que je me présente aujourd'hui devant vous. Dans le cadre de la cérémonie de pose de première pierre de la première maison de la jeunesse et de la citoyenneté du Sénégal. Si je suis heureux d'être ici parmi vous, pour la jeunesse de Pékin et de Pékin Nord en particulier, cadre de promotion de la jeunesse et de la citoyenneté, les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté sont une initiative innovante et importante dans la politique de jeunesse du gouvernement. Induite par la nécessité de mettre en place des stratégies de pleine occupation citoyenne, utile des jeunes elles constitueront à coup sûr une nouvelle dynamique dans la prise en charge des questions de formation, d'éducation, de civisme, de citoyenneté et de loisirs pour les gens. C'est donc à bras ouverts et avec une fierté réelle que la population de Pékin Nord et son conseil municipal, par ma voix, accueillissent cet ouvrage de bureau de très haute importance. Madame la ministre, c'est pour moi l'occasion de saluer l'ensemble des efforts qui ont été consentis pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'édification des maisons de jeunesse et de citoyenneté, mais aussi du soir de Pékin Nord pour abriter la première des 45 maisons de jeunesse du Sénégal. Aussi, la jeunesse de Nord, par ma voix, souhaiterais que les quartiers soient sécurisés. Madame la ministre, il se pose aux environs de cette arène des questions sérieuses d'insécurité et d'assainissement. Nous espérons qu'avec l'édification de cette infrastructure, ces questions seront prises en charge pour plus d'accueil de la jeunesse ici dans cet édifice. Madame la ministre, distingués invités, le monde sportif dont les lutteurs, les acteurs culturels, dont ceux des cultures urbaines, les artisans parmi lesquels les compagniers, les bijoutiers, ainsi que tous les acteurs de développement ont également leur part dans ce bijou offert par le président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et par toutes les communes de Pékin, je voudrais rendre hommage et remercier la dynamique, la compétente, l'efficace la fidèle, la Yaïfal de Macky Sall. Je veux citer Madame ministre Nenda Fatou Matata. Nene Ajarama. Nene Bikin Wima Jarama. nene ana mujji nene ga jambar an bito Guédiawaye o an

Piquilor est ainsi heureuse et fière d'être la capitale et l'attraction de la jeunesse de tout le département. Avant de finir, je voudrais m'adresser aux populations de et de Pékin Nord particulièrement, qui se sont mobilisées pour moi, qui se sont mobilisées aujourd'hui pour cette manifestation. Aux militantes et militants de Amoudou Djara, jeunes, femmes, adultes, commerçants, toutes, les populations de Pékin aussi, Vous aussi, merci. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Je sais que je suis avec vous aujourd'hui. Je sais que je serai devant vous. Je sais que je serai derrière vous. Je sais que je serai, je serai avec vous. Parce que si je vous rappelle mon engagement à rester toujours un Baïfal de piquet, un maire Baïfal, un maire qui ne se sépare pas de sa commune, mais qui sait sa commune. Que cette cérémonie soit d'une réussite totale. Vive le Sénégal, vive la jeunesse. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame le ministre de la Jeunesse, Madame Néné Fatoumata Mbaye, Monsieur le maire de la ville de Pékin, notre cher ami Abdoulaye Timbo, Monsieur le préfet du département de Pékin, Mesdames et Messieurs, honorables élus nationaux et locaux, Messieurs les maires des communes de Pékin, Monsieur le maire de la commune de Pékin Nord qui abrite la maison de la jeunesse et de la citoyenneté, notre cher ami Amadou Tchara, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Hadim Djouk, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, je voudrais à l'entame de mon propos remercier le ministre de la Jeunesse pour le choix porté sur Pékin dans le cadre de ce programme national de construction des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté pour à la fois abriter la cérémonie de lancement et la pose de la première pierre. Je vous remercie, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur Abdi Karim Monsieur le ministre des Sports, Madame Monsieur le ministre de l'Économie numérique, Monsieur Yankoba Jatara, Monsieur le préfet du département de Bidine, Monsieur le maire de la ville de Pékin, Monsieur le maire de la ville de Guédiawaye, Monsieur le maire de la commune de Pékin Nord, Monsieur les maires des communes de Pékin, honorables députés, membres du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Monsieur le Président du Conseil départemental de la jeunesse de Pékin, Monsieur le Président du Conseil communal de la jeunesse de Pékin Nord, notabilité religieuse et coutumière, chers jeunes du Sénégal, d'ici et de la diaspora, chers invités, je voudrais avant tout vous remercier du fond du cœur pour la mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux que vous avez eu la grande amabilité de me réserver ici à Pékin, dans cette cité symbole d'optimisme, dans l'esprit fécond et le culte de l'effort salutaire. Naturellement, c'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous, population de Pékin en général, sa jeunesse en particulier, en cette cérémonie marquant le lancement officiel du projet de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté si cher au chef de l'État, son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall. En effet, par décret 2020-1771 du 15 septembre 2020, portant création, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Le chef de l'État tient à doter des 45 départements d'une nouvelle infrastructure afin de forger la culture de participation citoyenne des jeunes, faciliter l'éclosion de leur génie créateur et assurer leur plein épanouissement psychosocial. Mesdames et messieurs, ce projet novateur offre un cadre de rencontre, d'échanges, de loisirs, de formation et d'éducation en adéquation avec les aspirations profondes et dynamiques des jeunes.